sur les ondes de nos médias partenaires. Auditeurs, auditrices, nous sommes mardi 23 mai 2023. Il est 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, Rabia Mekano et euh, Mariam Adé. Marie, tu es en forme ce matin, ça va Ouais, bébé, ça va bien et toi Ça va, super. Alors quoi de neuf pour aujourd'hui Mariam, nous ouvrons notre balade d'une heure avec le flash d'information et l'entretien du jour avec comme invité Jibrila Dadis, président de l'Union pour la défense et la protection des droits des enfants et des jeunes. De la rubrique éco des régions, nous irons dans la commune de Tirozérine, région d'Agadez, où l'eau potable se fait de plus en plus rare. La rubrique hebdo consacrée sera consacré à la santé et nous parlerons des crises d'éclampsie et de préclampsie chez la femme. Il y aura le loti et la page sport. L'édition est assurée par Eila Toussoumana et la technique par Kader Chambiano. Bonjour à tous, sans trop tarder, voici les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour Afika Bonjour, comment vous allez Ça, va, bien. Quelle est l'actualité de ce matin Alors, pour ce matin, nous avons l'acheminement des pèlerins nigériens en Arabie Saoudite pour le Hajj 2023. Trois avionneurs ont été choisis, dont Flynas, la compagnie Ethiopian Airlines et la compagnie Max Air. Les premiers vols sont prévus à partir du 1er juin 2023. Néanmoins, le programme des vols retour ne sont pas encore connus, précise le président de l'association nigérienne de l'Agence pour le pèlerinage à NAP, ce qui, selon lui, fera les pèlerins, fera que les pèlerins plutôt nigériens séjourneront en Arabie Saoudite plus longtemps si les conditions ne changent pas, a expliqué l'âge Moumouni Amadou. Ensuite, nous avons le Conseil régional de la jeunesse de Tilaberi qui a organisé hier un atelier de renforcement de capacité des leaders d'influence de la région sur les questions de leadership, inclusion sociale, techniques de communication et en plaidoyer. Cela pourrait contribuer à la résolution de l'insécurité que vit la région de Tilaberi actuellement. Durant deux jours, les participants auront à discuter des défis qu'ils rencontrent dans leur pratique quotidienne et identifieront des opportunités de collaboration entre eux. Enfin, au sortir du quatrième congrès ordinaire du syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger, il y a eu une série de résolutions et recommandations. Les participants de ce congrès ont formulé un certain nombre de résolutions et recommandations qui ont été adressées aux autorités. C'est tout pour ce flash d'information de ce matin, Ravi. Merci, Merci Rafika. On se retrouve tout à l'heure pour les titres de la grande édition. D'accord. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes avec Djibrila Dadis, président d'une association qui défend les droits de l'homme appelée Union pour la défense et la protection des droits des enfants et jeunes. Avec lui, nous aborderons la question de la situation des droits des enfants et des jeunes au Niger, ainsi que les actions de leur association dans la promotion de ces droits. Bonjour Jibrila, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Abby, comment allez-vous Ça va super bien. Mais avant d'entamer cette discussion, écoutons notre première balade musicale. Je vous propose marin de Hayman. Moi j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïe m'en a besoin de toi. es ma reine, et je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé, viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule man gani kwai kai kinigu kai man kani bin san ni gaba kai ban ai ngwara kai gate siye gai tan kul kin ga kwai kwai gai nan ba ka tine yuro kan ga kan mahanni wana biro sai ba nan kul kan no ni go ai tin ba ko nan kul kan no ni ko agini ke ki se to amare I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. Karim Ibrahim, l'artiste est connu sous le nom de, Ham, Hayman. Il évolue dans les genres musical hip-hop et il est bien connu par le public nigérien grâce à ses tournées dans la capitale et à l'intérieur du pays. Hayman est très rattaché à la société et beaucoup de ses textes parlent de la prise de conscience des jeunes. C'est vraiment un grand ami de l'émission Tous à la Fada. Il nous a accompagnés sur tellement d'émissions. En 2015, Hayman a fait une prestation de deux albums qu'il a lancés. Et en 2020, il lance l'album 28-11 Cargo, composé de 12 titres. Quelques morceaux préférés des fans comme Marraine, que vous écoutez en ce moment, Marie-toi ou Petit Frère. Cet homme, c'est une icône de la musique nigérienne. Bonne chance pour le reste de ta carrière, Hayman, Big up! Retour au studio avec notre invité du jour, Jibril Dadi, président de l'Union pour la défense et la protection des droits des enfants, et Jeunes. Pour rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous brièvement votre structure. Ok, merci beaucoup. Et tout d'abord, moi, c'est Dadi Jibrilla. Mm. Je suis le président national de l'Union pour la défense et la protection des droits des enfants et des jeunes. Donc, euh, UDEJ, e, en abrégé, en abréviation. Donc, euh, et euh, UDEJ a été créé euh, en 2020, fin 2019, début 2020. Et nous sommes reconnus, nous avons notre arrêté de reconnaissance. Donc, euh, c'est ce que je peux dire. Peut-être il y a d'autres questions. Il ne faut pas que j'y rentre dans le sujet et commencer à déjà. Mhm. Quelle analyse faites-vous de la situation de l'enfant au Niger quant au respect de ses droits Ok, d'accord. Donc, euh, <clears throat> je vais commencer comme euh, je l'ai dit, nous intervenons dans le domaine de la protection des droits des enfants et des jeunes. Donc, euh, notre objectif principal, c'est de créer un espace d'échange et de plaidoyer pour la défense et la protection des droits des enfants et des jeunes. Donc, vous voyez maintenant tout ce qui a un lien avec la protection des enfants. donc, nous intervenons et nous plaidons. Nous faisons appel aussi aux décideurs de réagir quand ça ne va pas, parce il y a des textes qui sont là, des conventions qui sont là, et, euh, telles que la CDE, la KDBE, qui sont là ratifiées depuis plusieurs années où des fois vous connaissez bien euh, la situation euh, de notre pays, c'est pas à chaque fois que ces textes-là sont respectés, si je peux le dire, parce que il faut nos interventions des fois pour dire ah euh, les décideurs et les dirigeants, vous avez accepté ces textes-là, soit disant que vous allez veiller, vous allez mettre ces textes-là en application. Vous voyez, des fois, il y a un peu de négligence, pour ne pas dire oubli. On faisait des rappels euh, aux autorités que voilà les situations. Maintenant, quand il y a des violences qui s'opposent dans plusieurs cadres, parce que aujourd'hui, qui dit violence, il y a plusieurs parenthèses. Si vous prenez... Et, euh, dans le cadre euh, de l'éducation. Les enfants, euh, aujourd'hui au Niger, on savait tous qu'il y a une partie et il y a, des zones où jusqu'à présent, euh, les, les, les, études pour les enfants, c'est pratiquement même arrêté parce que dès qu'on dit à cause d'une insécurité, une école est fermée, là, il y a problème. Vous voyez donc aujourd'hui, quand nous constatons, quand on regarde aussi la plupart des gens qui sont victimes, c'est les enfants et jeune Et parmi eux aussi, il y a, il y a les plus victimes qui est la jeune fille. Comme l'avait dit le président, sur, euh, euh, il a mis l'accent sur l'éducation de la jeune fille. Vous voyez aujourd'hui, euh, dans une école, on peut trouver par exemple dix filles ou peut-être euh, sept garçons. Maintenant, ces filles-là, si et, ils ne partent plus à l'école, alors il y a problème. Vous voyez, c'est ça qui provoque plusieurs euh, cause euh, parce que ça, ça renvoie, c'est-à-dire l'abandon, c'est-à-dire la, la dépertition scolaire des, des, des, enfants ou des fois même euh, le mariage des enfants, vous voyez, et que si vous regardez le mariage des enfants aujourd'hui, on est à 73,3% selon... Euh, les études faites par l'UNICEF, si j'ai une bonne mémoire. Donc, vous voyez, le Niger est l'un des plus grands pays, hein, si je peux le dire, le premier même qui donne euh, où on donne les enfants à mariage, vous voyez. Et ça fait partie de la lutte aussi euh, du président pour pouvoir apporter des résultats à ce phénomène qui nous préoccupe. Donc, euh, on peut dire que les actions que vous menez sont plus axées sur l'accès à l'éducation. Ce sont cela les causes qui vous tiennent vraiment à cœur. Parce que vous savez, eh, aujourd'hui, eh, tant qu'il y a une bonne éducation dans un pays, aujourd'hui, on peut résoudre tout autre problème tel que eh, le chômage, la pauvreté, le phénomène des mariages que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, parce que mhm, de mhm. la plupart, si vous regardez, c'est une, c'est une grande parenthèse ou euh, le manque d'éducation ou l'insécurité peut amener le manque d'éducation. Et le manque d'éducation peut amener plusieurs problèmes qui peuvent toucher aussi à la vie des enfants et jeunes. Oui, mais quelles sont les zones, les zones que vous, dans lesquelles vous intervenez, vous interveniez et euh, avec quel fonds? Voilà, et nous intervenons dans euh, les huit régions, pratiquement mhm. maintenant dans les zones d'insécurité. Euh, maintenant, nous, nous intervenons dans nos propres fonds et des fois nous faisons des plaidoyers, nous, nous faisons des groupes avec d'autres euh, structures qu'on a des objectifs en commun, nous mhm. travaillons ensemble. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour mener une lutte, c'est pas seulement aussi le fait d'être sur le terrain. Euh, on peut mener une lutte sur les réseaux sociaux, tout comme on peut mener une lutte aussi sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, pour interpeller euh, les, les autorités. De concert avec d'autres associations des jeunes. Oui, avec d'autres associations des gens parce que nous intervenons aussi. L'un de nos objectifs, euh, il y a aussi une partie qui parle sur la santé et reproduction. Vous voyez, donc euh, ça aussi c'est une autre parenthèse. D'accord. Nous allons poursuivre cet entretien avec vous, mais avant euh, ces échanges, je vous propose de suivre avec nous un deuxième tour en musique avec Sorbajo du groupe Etran Finatawa. Et on se reprend juste après. ولا النار بذاتي تم صدرا la musique est qualifiée de Blue Nomada. La musique des trains mêle la musique traditionnelle Touareg et des Wadabe. Composée de chanteurs et de musiciens des deux peuples, Etran Finatawa se donne pour but de promouvoir leur culture, tout en la renouvelant avec l'emploi d'instruments comme la guitare électrique et la guitare basse. En concert, les musiciens et chanteurs se produisent en costume traditionnel, les Touareg portent la robe et la chèche, et les Wadabe en robe longue et portant des chapeaux prolongés d'une plume avec euh, des peintures faciales. Les paroles des chansons sont composées des deux langues, le tamashek des Touaregs et le foufoulé des Wadabés. notre entretien avec Jibril Dadi, défenseur des droits des enfants et jeunes à travers son organisation. Jibril, est-ce que vous arrivez à faire adhérer des jeunes à cette cause que vous défendez Vous arrivez à les intégrer Les jeunes s'intéressent à ce que vous faites Oui, effectivement, parce que, eh, juste pour faire un rappel, eh, je fus eh, le président parce que j'étais le SG à l'absence du président. J'étais le président euh, par intérim d'une association dénommée euh, CCNEJ. Euh, qui est parrainée par Plan International Niger, qui est vraiment une association aussi qui milite dans le même cadre mais euh, dans le CCNEJ, quand vous regardez, il y a une limite de tranche d'âge parce qu'à partir de 24 ans, vous n'êtes plus euh, éligible pour pouvoir continuer les activités parce qu'ils utilisent les jeunes et adolescents seulement. Mm-hmm. Et suite à la création de notre, euh, c'est-à-dire UDEJ, euh, association, donc nous nous sommes retrouvés avec les anciens membres qui ont et qui étaient avec dans dans, dans, l'autre structure, vous uh-huh. voyez. Maintenant, c'était quoi tous ceux qui dépassent l'âge dans l'autre structure, ils peuvent s'adhérer avec nous. Ils peuvent venir continuer, c'est-à-dire euh, la lutte avec nous, parce que c'est pratiquement euh, presque les mêmes objectifs, mais quand même c'est élargi de notre côté et l'âge n'est pas limité. Aujourd'hui, vous êtes à combien de membres dans votre association atteignons voire 60 ou 70 parce que sur l'étendue du territoire, parce que mhm. il y a la composition des, des, membres du bureau et aussi il y a les membres actifs et il y a les membres aussi euh, qui, qui avec nous aussi dans euh, l'association. Ok. Alors dites-nous depuis sa création, quelle pierre votre organisation a apporté à l'édifice de cette lutte oui, nous avons mené euh, beaucoup de choses parce que, sans vous mentir, tout récemment, ça n'a pas dépassé euh, deux mois de cela. Euh, il y avait une fille qui était victime d'un mariage forcé, si je peux le dire. Donc, pratiquement, on m'a appelé. Donc, quand on m'avait appelé, j'ai dit ah, parce que celle qui m'avait contacté était victime. C'était sa grande sœur. Ouais. Elle, au finish, sans vous mentir, elle est de retour au pays parce que quand elle a été donnée en mariage, euh, à bas âge, elle a quitté le pays. Au finish, elle est de retour moins de deux ans. Donc, elle m'a fait part que voilà, sa petite sœur voulait être donnée en mariage et ils veulent même la prendre d'ici même à Niamey pour l'amener au village. Ok. Automatiquement, euh, je les ai référés parce qu'en ce temps-là, j'étais pas disponible je les ai référés à l'EHPAD, Conut. Peut-être que vous connaissez mhm, l'endroit mhm, chez mhm. Donc, euh, et le problème a été résolu. Ça, c'était tout récemment, quoi, vous voyez. Et nous, nous partons sur le terrain pour faire des, des sensibilisations. Et on a eu, on a vu beaucoup de choses. Pratiquement, moi-même, personnellement, sur le terrain, j'avais trouvé eh, un enfant moins de 18 ans qui avait deux enfants de deux petites fillettes différentes. Sur le terrain, j'ai trouvé ça. Et ce n'est même pas loin, c'est ici à la commune 5. OK. Vous Et ces genres de problèmes, euh, on les, trouve un peu partout, surtout dans les zones reculées. Oui, mais maintenant, selon vous, quels sont les vrais défis à relever afin de garantir cet environnement épanouissant à l'enfant euh, au Niger C'est pourquoi moi-même, je, me suis focalisé sur euh, une bonne éducation. Mhm. Aujourd'hui, nous savons tous qu'au Niger, l'éducation aujourd'hui, c'est c'est pas comme on le veut, euh, c'est pas comme on le veut parce que aujourd'hui quand vous regardez même les riches, ceux qui ont euh, les moyens, ils mettent plus leurs ils mettaient plus leurs enfants dans les écoles publiques. Ils les prennent d'autres, les envoient ailleurs, à l'international. D'autres aussi, les envoient dans des écoles euh, privées. Et qu'en a-t-il de l'autre là, l'enfant de pauvre qui est au village comment on va faire pour pouvoir que cet enfant-là puisse pouvoir, puisse avoir une bonne éducation. Et à part ça, si nous regardons, euh, dans les zones un peu reculées, dans les zones d'insécurité, ils n'arrivent pas à continuer leurs études. Pourquoi ah. À cause de l'insécurité. Les enseignants ne peuvent plus aller sur le terrain à cause de l'insécurité. Et le président, il est là, il dit lui, sa priorité, c'est quoi C'est de se focaliser sur la, euh, comment l'éducation, surtout la scolarisation de la jeune fille. Parce que pourquoi j'insiste trop sur la jeune fille La jeune fille, est la plus victime aujourd'hui, la, euh, la plus vulnérable et la plus victime aujourd'hui de manque euh, quand il y a un problème dans un pays. L'insécurité, c'est la femme et la femme, la jeune fille, elle est la plus victime. Si on parle sur l'éducation aussi, la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est ça qui renvoie au mariage des enfants. C'est ça qui renvoie beaucoup de choses qui créent vraiment des problèmes à l'endroit de la femme. Vous voyez? Mhm. Donc aujourd'hui, nous, euh, comme euh, ce que nous faisons UDESH, nous interpellons euh, les autorités, nous faisons des plaidoyers pour qu'à à ce niveau dont vous avez pris l'engagement, vous avez pris l'engagement pour faire telle chose à tel endroit. Alors, et pourquoi cet engagement-là n'est pas encore honoré jusqu'à présent Vous êtes les décideurs. Il suffit seulement de, de, de claquer le doigt ou bien d'insister sur les choses et ça va marcher. Mais vous êtes nombreuses les associations à mener cette lutte souvent sur plusieurs fronts et beaucoup peinent à atteindre les résultats escomptés, comme par exemple le problème sur la mendicité. Est-ce un domaine dans lequel vous intervenez aussi, la mendicité des enfants Bon, oui, parce que ça touche euh, les droits des enfants aujourd'hui. Pourquoi L'enfant qui devrait être à l'école, qu'est-ce qu'il fait au bord de la rue vous voyez, aujourd'hui, euh, je me rappelle, une année, l'État a décidé de, de, prendre les enfants et, et, leurs parents pour les ramener dans leur village. Moins de 24 heures, de la matinée, vous partez au bord des stops, au feu des stops, vous allez les, les retrouver encore. Alors qu'est-ce qui fait ça Moi, je me suis dit que jusqu'à présent, l'État n'a pas encore eu le problème même, la source du problème. et vous accompagnez. Et nous, en tant que mhm. structure, nous plaidons nous euh, disons à l'État, voilà ce qu'il faut faire pour euh, lutter contre telle chose. Ok. Vous savez, on est nombreux, il y a des gens qui mènent une lutte, des associations et des ONG qui mènent une lutte pour euh, aboutir à des résultats. Il y a des gens, il y a des gens et des associations aussi qui font leurs activités ou bien qui essayent de, de, faire part que voilà pour gagner quelque chose et sans vous mentir. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites et très beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, que la lutte continue. Merci. On va observer une petite pause et on se reprend juste après. connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Aujourd'hui, de la république santé, nous parlerons d'une maladie qui fait des victimes ici au Niger. Il s'agit de la crise d'épilepsie, une crise convulsive qui pourrait être fatale pour la mère. Mais avant sa survenue, une autre maladie appelée préclampsie, toujours liée à la grossesse, peut mettre à la puce à l'oreille des agents de santé et même de la femme afin d'une prévention. pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter les explications de la présidente de l'ONG Dimol Salamatou Traoré au micro de Habib Ahmed. Qu'est-ce que la crise prééclampsie La crise prééclampsie, c'est une phase qui se situe avant le travail d'une parturiente et le déclenchement du travail. Ce qui veut dire que c'est une patiente qui n'a pas encore de contractions ou une patiente qui n'est pas à terme et qui a commencé à avoir des vertiges et qui a des céphalées ou même une patiente qui elle se sent gênée, elle dit qu'elle a des malaises, mais elle ne comprend pas. Elle présente les jambes qui sont enflées ou même le visage qui est bouffi ou l'hypertension qui est là et qu'on lui a prescrit des médicaments pour faire baisser la tension. Et ça, c'est une patiente qui se situe dans une phase de pré-éclampsie. C'est une période avant l'éclampsie. Et c'est une période dont on peut beaucoup faire pour la patiente et on peut l'aider à pouvoir éviter les crises d'éclampsie. Parce que les crises d'éclampsie parfois sont fatales aussi bien pour la mère que pour le bébé. La phase euh, pré-éclampsie, c'est une phase où quand elle va dans les formations sanitaires, les agents de santé sont très stricts là-dessus. C'est de référer la femme dans un centre où elle va être hospitalisée, où elle va être au repos. La tension sera contrôlée, les urines vont être mesurées pour voir si les reins ne sont pas atteints et tout ça, pour voir la situation du bébé, s'il est en bonne santé. Et ces périodes-là, on peut beaucoup faire pour la patiente pour lui éviter d'avoir l'éclampsie. Et quelle est la différence entre la crise pré-éclampsie et la crise d'éclampsie Dans la prise en charge de la pré-éclampsie et de l'éclampsie, c'est différent. Dans l'éclampsie, c'est une affection franche la femme, elle convulse, elle se débat, et parfois elle est inconsciente de la situation qu'elle vit. Et là, c'est l'éclampsie. Alors que dans la phase de pré-éclampsie, elle peut répondre aux questions du personnel, elle peut gesticuler, elle peut se déplacer, elle est essoufflée et tout. Il y a une grande différence. La crise d'éclampsie se présente de plusieurs formes. C'est une patiente qui présente des signes de toxémie. Toxémie, ça veut dire elle a les jambes qui enflent, ou bien elle-même elle prend beaucoup de poids, ou bien la femme elle a des vertiges, elle a l'hypertension. Souvent elle se dit j'ai mal à la tête et c'est ça les signes de l'éclampsie. Pendant la grossesse, la femme elle présente des signes d'édème, c'est-à-dire les pieds qui enflent. Elle présente aussi l'hypertension artérielle. C'est une femme qui a souvent mal à la tête. Comment elle se manifeste Il y a des femmes qui, euh, avec euh, les signes, elles sont fatiguées, elles ont des vertiges, parfois elles, font, elles ont des vomissements, des nausées. C'est ce qui les amène à aller en consultation prénatale. Et ça se manifeste aussi brusquement. Elle a des malaises et elle peut tomber. Elles n'ont pas été vues par un agent de santé pendant la grossesse. Parfois, elles ignorent qu'elles ont l'hypertension. À quelle période de la grossesse elle se déclenche Tout dépend de l'état de santé de chaque patiente. Ça peut être à partir du début de grossesse comme à la fin de la grossesse. Ça peut être une hypertension brusque. Quand c'est l'éclampsie, la femme, elle convulse. C'est une urgence qui conduit à aller rapidement vers les services de santé où elles vont être prises en charge pour une réanimation rapide pour sauver la femme mais aussi pour sauver l'enfant. Nous n'avons pas euh, des statistiques qui le prouvent mais c'est l'expérience que nous avons en tant que sage-femme et surtout en tant que quelqu'une qui a servi dans un centre de réanimation tel que la maternité sac Gazobi où on reçoit tous les jours des cas d'urgence. Ce sont des urgences en Quelle femme est prédisposée à avoir cette maladie Souvent, l'éclampsie, c'est lors du premier accouchement. Même si elles n'ont pas fait la crise au moment euh, du travail, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, parfois c'est juste après l'accouchement que la crise d'éclampsie se déclenche et c'est surtout les jeunes. Et je dis, la majeure partie de ces patientes n'ont pas suivi de consultation prénatale pour faire un dépistage des risques qu'elles encourent. Quelles sont les conséquences de la crise de Clancy Bon, souvent il y a l'insuffisance rénale. Les femmes, elles n'urinent pas beaucoup. S'il y a une atteinte rénale, les urines se font de plus en plus rares. Il y a également l'aspect hémorragie ménagée, c'est-à-dire les maux de tête avec l'hypertension qu'elle a doivent lui donner des signes, une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a l'hypertension, elle a les pieds qui sont enflés. Donc la complication, c'est l'hémorragie ménagée au niveau du cerveau. Et souvent, c'est mortel. Il y a les vaisseaux qui éclatent. Dans l'éclampsie, l'une des complications majeures qui conduit à la mort de la femme. Et souvent, le nouveau-né, il trépasse également. Souvent, la maman et le bébé, tous on les perd. Est-ce qu'on peut prévenir la crise d'éclampsie Mais oui, la prévention, c'est les consultations prénatales, si elles viennent à temps. Elles sont prises en charge et elles sont traitées. Et comment se fait la prise en charge de cette maladie La prise en charge, elle consiste en une urgence obstétricale. Parce qu'aujourd'hui, dès que la femme enceinte pique une crise, ça veut dire il y a urgence. Il faut l'aider, il faut vite prendre soin d'elle et surtout de son bébé. Le référer d'urgence dans dans un centre de réanimation ou dans un centre de référence ou dans n'importe quel service de santé pour qu'elle puisse être prise en charge d'une manière convenable. La réanimation tient compte de ce qu'il faut faire pour cette femme. Et quel conseil donnez-vous à ces patientes Alors, le conseil, c'est vraiment euh, d'informer toutes les femmes qu'elles puissent se prendre elles-mêmes en charge, rien qu'à travers les, les visites au niveau des services de santé, le respect des rendez-vous, mais surtout euh, le respect des consignes données et des traitements. Merci Habiba de nous avoir rapporté ces précieuses informations utiles à toutes les femmes et qui va aider plus d'une maman. Baby, on se détend encore en musique avec Meginda de Fenobi et Rabia Mekano. Eh bien, j'ai bien dit, c'est Rabia, ma binôme sur cette émission qui font le son. <laughs> Eh! <laughs> mo mana bo isigine koimbe ajaleiga kwanda yenda wazikanda aiga dunia zote yogo ngori bakande mfata fege fombiga maa de Fenobi. Fenobi qui a marqué sa carrière avec les deux versions de son groupe Kailangaskia depuis peu. Il reconstruit une carrière solo. Il a créé une structure au nom de Studio Kunti qui a révolutionné le monde du showbiz nigérien, ce qui lui donne un statut d'opérateur culturel dans ce pays. Cette année, il revient nous surprendre après une recherche artistique et culturelle avec ses deux titres Goruba et Zomboka, inspirés de la culture nigérienne, de musique des joies, de fête qui rappellent aux Nigériens des valeurs qui ont bercé notre enfance. L'artiste réinvente un nouveau style de musique africaine africains, les, néo-urbaines. Yeah. Mariam, dans ce sens, Fenobi, il sensibilise sur euh, le vivre ensemble, sur euh, comment éviter les problèmes, comment éviter les fausses euh, informations et tous les problèmes de la vie quotidienne. Voilà. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu que vous écoutez à travers nos radios partenaires et sur notre site web www www.studiokalangu.org. À présent, direction Agadez, plus précisément dans la commune de Tiro. La commune de Tirozérine est confrontée depuis plusieurs années à un problème d'eau potable. Une situation qui est devenue un calvaire pour la population qui arrive à s'approvisionner difficilement car les ressources s'amenuisent jour après jour. Notre correspondant Ahmed Follan fait le point dans ce reportage. yau shekara goma babu ruwa ina nema gare su hukuma su rufa mana asiri su ba mu ruwa wanda ba ya da ruwa ya mu yara bidunan mu suke tahiya gida gida mu samu da ruwan da za mu sha duka garin ciro rana ta yawa kowa kuka ruwa muke ba mu son komai mu samu ruwa mu sha da bakunan mu wani alkhairi ya zo muna so amma ruwa ci ne gaba rashin ruwa ya jawo mana banna da yawa tunda da da muke da ruwa mun ka shigo gida pipinar garin mu shibka irin wadda ba mu yanzu ina kai ta ice kake ko ta kanka mutane ne ruwan da za su sha suke nema ba ta shibka ba mu talman ke mun jima muna da problem ke ruwa mun kashe burwatocin mu mun kashe amalan mu yanzu yara su ne suke wahala yara zaka gani yaron da bai kai doka wani puwawa zaka gani shi ya ta yana ɗauke yanzu wallahi mu dai muna da matsalar ruwa tsakanin da Allah ungoyin gana mutum da ba yau bane shekara da shekaru dai ruwan nan babu ruwa kuma wanda muke ba ana ɗauko ruwa da mu da kanmu muke ɗauko ruwa har ya kai mu da kanmu yanzu ruwan ma babu babu inda za mu nemo su ba almajirai su ma su yi wahala su su nemo a samu rabi wani bi Ce sont les cris de cœur des populations de Chirozérine qui témoignent de leur situation difficile d'accès à l'eau potable. En effet, depuis plusieurs années, cette ville est confrontée à un manque crucial d'eau qui s'empire chaque année et qui reste sans solution jusqu'aujourd'hui. Le premier vice-maire de la commune de Tirozérine, Emoud Agalher, explique les raisons de ce manque d'eau. C'est un problème euh, très sérieux et c'est un problème qui a duré euh, depuis longtemps. Vraiment, on a beaucoup cherché à résoudre euh, ce problème, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas parvenu à la solution. Le problème de Tirozérine, ce que la ville même de Chirozérine n'a pas une autonomie d'eau. L'eau que la ville de Chirozérine consomme donc provient de la Sonichar. Donc il n'y a pas une autonomie euh, de gestion d'eau pour la ville. Les mesures euh, prises euh, toujours ont tenté de trouver une autonomie de gestion d'eau et à avoir des partenaires qui vont mettre en place des... Mais jusque-là, on n'était pas parvenu. Comme il y a déjà un réseau d'eau, on il faut savoir que l'eau de la Sonichar provenant de Agarusla c'est une énorme quantité d'eau qui peut vraiment servir pour la ville de Jérusalem, mais euh, c'est quelque chose qui est mal géré selon les sources d'informations qu'on a. C'est mal géré. si c'est bien géré, ça peut largement suffire pour alimenter la ville de, de Il y a beaucoup de projets, dans tous les cas, qui interviennent dans la commune euh, urbaine de Jérusalem et qui interviennent dans le domaine de l'hydraulique. Malheureusement, jusque-là, au niveau local de la ville, on a vu des, des villages qui sont dans les brousses, le village de, la commune urbaine de Tirozène, qui ont plus de problèmes qu'ici, mais où on a pu résoudre ces problèmes à travers donc euh, l'engagement des populations locales et des chefs coutumiers locaux. En attendant de trouver une solution durable à ces problèmes d'eau potable qui minent la ville de Tirozéry, les populations continuent de plaider pour leur cause auprès des plus hautes autorités du pays. Ahmed Fellan est en direct avec nous depuis Chiro. Allô? Oui. الو من على هي الو حمد منك الحمد لله نبادي والله ماني تاغرا كان فرغاص الله يفهم نرى نس منك تموس تاغرا نام عندك جيرو مرة والله تاغرا تانا من دي غاس ارواد توقي غاس الخوك من غاس قامنا تدك من ارواد ايكا صورا نلاغي لان قوت من غاس نشيقر سن ارواد وسنك الحنقاض تو الغيال ويني منك تاقنا دقرو نامان كوميرا لان اندي تاكين فيلا دكلا دامان madrasa ganda manin ke wanda ta fuso ni sharika sana ma wanda fato ni sharika gurai wadda na kai dunde matoni ke na kada shi da zargan garrawan da ma wasu marka ah. amir falan a takaita dai magabatan garin mi suka ce bisa kan wannan matsalar ruwa eh su dai suka ce su dai suka ce suna kokowa game da a samu shato ta cikin gari saboda ruwan da son sha taba gari kenan ba su isa lokacin da taba da ruwan nan kama garin karami ne Hmm. kenan gari da ya girma yanzu ruwan ba su isa gari kenan dole sai an samu SNA wadda za ta kawo musu kuma harkar ruwa ta zo ta sauke ok sai an kara ba hanyoyin samun ruwa to yanzu eh. da damana ta gabato abin yana eh. iya dan canzawa na iya samun wani dan sauki ko ko da ya eh, gani gaskiya yanzu in dai aka yi aka yi ruwan sama sosai hmm. za a samu dan jama'a fate sauran famfuna duka za su kawo ruwa fate hmm. kamar ruwan da suke cikin garake wannan an Mariam, voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous arrivons à la partie sport et c'est Soumana Amadou, notre chroniqueur sportif, qui est avec nous dans ce studio qui s'en occupe. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour, Soumana. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez pour nous et nos auditeurs dans cette édition Nous allons parler du handball. En effet, en prélude au championnat national de cette discipline sportive, la Ligue régionale de Niamey organise un tournoi pour déterminer le champion, c'est-à-dire le club champion de la région et surtout mettre à niveau les équipes de la région. Neuf clubs participent à cette compétition, dont six masculins et trois féminins. La phase allée de ce championnat de Niamey a débuté il y a un mois de cela au stade général Sénécoutier de Niamey. Pour euh, plus de précisions, écoutons M. Mohamed Rabiou Ali, président de la Ligue régionale de Niamey. Nous avons étalé ce championnat-là en cinq journées. Et mm. une journée, c'est le week-end. Et le week-end, on a pris trois jours, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Donc la dernière journée, c'est normalement à partir de ce vendredi-là, de la phase année. Pour la phase retour, c'est normalement trois semaines avant le championnat national. L'équipe championne sera prise en charge par la région de Niamey. C'est-à-dire, elle sera prise en charge par la fédération, mais les autres équipes de Niamey, les autres clubs de Niamey, peuvent aussi participer. C'est-à-dire, ces clubs-là vont payer leurs frais de participation, ils vont se prendre en charge, mais l'équipe euh, championne de la région de Niamey, elle sera non seulement prise en charge par la fédération comme toutes les autres équipes venant des autres régions, mais aussi elle sera appuyée par la Ligue de Niamey parce qu'elle est l'équipe championne de la région de Niamey. Alors donc, à noter que le championnat national est prévu en août prochain. Tous les clubs, masculins comme féminins, de toutes les régions du pays seront au rendez-vous, selon toujours le président de la Ligue de Niamey. Merci Soumana. Merci À, bientôt pour d'autres pages Merci à vous tous, à vous toutes, pardon. <laughs> Après les sports, allons découvrir notre stade du jour dans la rubrique à Portrait. Oui, Mariam Alassane Desseni est un agent privé de sécurité. Un travail qu'il a commencé depuis quelques années après deux échecs aux épreuves du baccalauréat. Mais Bibi n'a jamais baissé les bras et finit par décrocher le fameux sésame en tant que candidat libre et poursuit ses études dans une école professionnelle de la capitale. Suivez son portrait signé Farid Bourema. Saini, nous, quoi, ayo tuksin berni gnair kwarasi aji saini nika ni nine nika gin goite nugo kala agent de sécurité ni nog bogay ifodenu dan an kanne dan azan de sécurité o de gite nugairo sajora talkai zeno ay te hin ka kan ay gote ay goce ci bak dubor ce hin ka bak mo dina ban dumatin gon no kan hinu ben ko privé ra chaw ni singa chaw ay di kan ay fera sin de hina kan ngene ngem ko chaw privé ra ai kanya me sintina kai kanya me manevrage ne gote après gote manevrage kala di bor fo nda gfa ni chare me jidfo ani se toguna no ni gondi niveau kan hinga muradu beriyante me sonnum ka koyte azan de gardinage si akonda z ine sam ine sam z de ko te adne ka ne studio kalangono sintina posto kambo kandai ay ka tangorneo masha allah yadi ni kalangay mo kontra ngande studio kalangona ibani che ci boren kan ganga ay goyo kani se ina ngaje ngai won boatora so sai ni ji marina kan nugo goyo wote wala son ay gir hinzi de ne kai go goyo wote go albar kramo na ay hiji bur kuno man hi dal falande hije no rara gora de ne digay bon economy kala hiji pil go gir fa karo te ni kan dai se école sanni bac yani chokal ni to bac ni du ko aidu ba koya oral ne tombe ayni passé 2022 ne te bak ga nugu ka goyi nugu chomutnu nini da. kom candidat libre ne te ay woni ke yeze ne din kango sede no ay sumoru wala dego mabu elev yan kango te exercice comme ay le do et c'est parfois c'est moi-même qui va les guider à faire les exercices. Surtout, je suis fort en arabe, en français aigi di se inde mu collaborer cari ayadi ni mu traité goyo amanin ganji chowyongo wala kankam yom mu fugni siara a goyo mane ganja goyo mane ganja ay kulu goyo ra de ne sallu salugu dogne zam gora ne gudu livre yang dey gora no dey ka isalero ray ka im du livre yang dey parfois ay go te cour privé yang kan ay gudu bor yang kan ay nem ka te se une heure de temps ay mi bani wona al ko im te se to wallahi kan ay du bako dey bor yang akani se ine felicité gumo machallah di gonde cewyon bere bere koni an faham fahamde mat kanno cewyon gonda gam bore an ani ba surprendre no kan ay kango gardien ine no du bak yadi nga hala ay gonde bak niveau ne go gor gote abinde man tinu sangin gonde niveau no cabnam nen sugoy nen sugoy asin ah ga tezai yadi nga bor mu goyde ni gudu na alhako ag bisinum ko bor fo ngware wodi no ne dango wora baku bande seyni ni go goyora halka sohon nigo cecigi cow gite université wala institut ra no to aygo cow institut ranaygo cow ago naygo te organisation et gestion des ressources humaines naygo te agrh cow yanongo te ifo no nigi ci bore kan gogoro furta jai kai mine gogoro isiba goyon gon kimini ngai sati wallahi ce yongore kai to ninde wane cal furta jega kango gorfonde bon digi shayin shi shayan han imtun gangai bon kayandam borin kuno sindi borin ko gor fandi jindi bon gane ne kambo ko ligne ne gor ne sindi goy kadin babu kawalan di bor fo kan gonda ne mun ko kay am no waran kam no go koy kay go goy no bon se ne mudu mun kuno ba waran kuno no go goy gudu albarka de no agbi sinum koy kay da handu buyni no waran karin nu ko murad fo tenda bor fo sibe matuno no murade go tete amma bor fo din waran kun subni yega ngware hinzanta zanta kulu agin de no Merci Farid pour ce joli portrait. Mariam, faisons un dernier tour en musique avec le titre Rama de Moussa Terama de Moussatoukou, Mariam Bibi, voyons à présent ce que nos chroniqueuses nous ont proposé, comme Loti aujourd'hui. Marie, aujourd'hui, elle parle des risques que pourrait avoir le fait d'envoyer vos petits-enfants faire des courses. Et eh bien, comme vous les faites, prêtez attention au temps qu'ils passent dehors. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sujet de la conversation entre Rekia Arimi et Samira Rouafi affaire affairage, affaire affairage. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir vais-je passer chercher la fille là Qu'est-ce que je vais dire à son papa Si je savais, je n'allais même pas l'envoyer au marché. J'aurais dû aller moi-même faire mes courses. Regarde, depuis ce matin jusqu'à présent, Jamila n'est pas de retour. Fanta, Fanta, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu parles comme ça toute seule J'ai pensé que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Et eh, mon ami, c'est Jamila que j'ai envoyée au marché depuis ce matin. Elle n'est toujours pas de retour. Quoi Comment et tu restes là à pleurnicher. Tu as au moins informé son papa. Hé, hey, épargne-moi, s'il te plaît. Informer qui Son père Tu veux la fin de mon mariage ou bien Si par hasard j'informe son père, lui qui m'a dit de ne plus envoyer ses enfants seuls au marché, comment pourrais-je l'approcher sur cette question Fanta, C'est une situation qui est là. Comment ne pas informer son père Que Dieu nous en garde. Et si quelque chose lui arrive que vas t faire Tu vas continuer à lui cacher Hé, appelle vite son père. Entre-temps, essaie aussi avec ses copines. Tu as des contacts, j'espère. Oui, prends le téléphone, tu verras tous les noms qui commencent par ami. C'est pour ses amis. Je vais encore vérifier à la porte si elle est en train de venir. Laisse, je vais vérifier si elle n'est pas chez une d'entre elles. Mon ami, Wallahi, elle n'est pas là. J'ai même demandé à ses copines du quartier. Elles l'ont aperçue depuis ce matin leur disant qu'elle va chez son amie pour l'accompagner faire les courses au marché. Ah, voilà une piste. Parmi ses amies, qui sont celles qui habitent dans les quartiers J'en connais une qui est dans le troisième virage là, juste là-bas. C'est l'amie ici. Allons voir chez elle. Espérons qu'elles sont là-bas. Ok, allons-y. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, te voilà enfin. Donc tu as entendu ma voix et tu es sorti subitement. C'est quoi ces manières Depuis ce matin qu'on t'a envoyé, c'est maintenant que tu reviens et ça aussi, il faut qu'on te charge. Tu te rends compte de ce que tu as fait et tu nous as mis dans l'embarras. Ta pauvre maman malade, elle a failli piquer une crise de tension. bah Pardon, Tintin, Là, je n'ai pas fait ça exprès. On a fini les courses depuis ce matin. Mais c'est mon ami qui n'a pas trouvé l'uniforme à temps. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait plusieurs machines. C'est au machu là qu'on a pu trouver l'uniforme. Vraiment, toutes mes excuses. J'aurais dû vous appeler pour vous informer. Vraiment, c'est ça que tu devrais faire. Désormais, si toutefois tu te retrouves dans des situations pareilles, le mieux c'est d'informer sur le champ, même si tu dois prendre le téléphone de ton ami. Inch'Allah, Tanti, moi-même ça m'a échappé. Je ne manquerai pas la prochaine fois. Vraiment, Tanti, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Hmm. Vraiment, la fille a failli me tuer. Avec tous ces enlèvements, ces disparitions d'enfants, Dieu est grand. Plein de choses me sont venues à l'esprit. Comme l'a dit Tanti Laraba, tu dois faire très attention. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation pareille, le mieux c'est d'informer. Comme ça, nous ne serons pas paniqués. Ces derniers temps, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Le monde est devenu ce qu'il est. Les gens sont capables de tout pour se procurer de l'argent. Ils vont jusqu'à faire des trafics d'êtres humains. Hmm. tu ne sais même pas. Rien que la semaine passée, des hommes ont voulu enlever la fille de la voisine et son amie en partant pour l'école. Heureusement que la petite a crié au secours et les deux individus ont pris la fuite. C'est pour cette raison, à chaque fois que je trouve un temps libre ou bien aux heures de dîner, je profite pour attirer leurs attentions. Primo, ne jamais accepter un cadeau venant de quelqu'un que vous ne connaissez pas, de ne jamais accepter l'invitation d'un copain, que s'assoit soit chez lui ou bien chez quelqu'un d'autre. Faut jamais se hasarder à aller chez lui. Au contraire, c'est à lui de venir te rendre visite. Dieu est grand. Wallahi, tu as parfaitement raison. Nous, parents, on doit redoubler de vigilance. Il faut toujours appeler aux enfants de faire très très attention et de savoir où mettre les pieds. C'est l'unique solution pour le moment. Tu as vraiment raison, ma chère amie. Prudence avant tout. Le bon Dieu nous protège et qu'il protège nos enfants. Amen, Allah, J'espère que maintenant tu vas appeler son père. Ah oui, oui, bien sûr, ça aussi. <laughs> Merci les filles. Mariam, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette équipe, elle est vraiment spéciale. <laughs> Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Gungu Mahaman qui nous parle de la citoyenneté. Bonjour Gungu. Bonjour Abi, bonjour Mariam. Bonjour Gungu. Alors donc la citoyenneté, c'est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de cité ou plus général d'un État. La citoyenneté porte des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, la morale, le civisme, la solidarité, qui sont l'expression de ces valeurs à travers le respect des autres, la tolérance mutuelle, la liberté de conscience, qui traduisent une volonté à s'engager et vivre ensemble. Le comportement d'un bon citoyen repose sur le respect des lois et des obligations envers les autres individus, l'État et les institutions de la société. Les citoyens réclament légitimement de l'État le respect de ses droits parce que l'État réclame légitimement aux citoyens l'accomplissement de certains devoirs. je m'en vais rendre compte ce mot en Hausa. En Hausa, ok. La citoyenneté, ‘yan kasanci. ‘Yan kasanci shine kasancewar wani mutum ga iyali, ga wani gungu, da a hukumce aka san da zamansa na ɗan ƙasa, wato mai matsayin ɗan asalin gari ko ta daula. ‘Yan kasanci na ɗauke da daraja kamar ‘yanci, daidaito, ‘yan uwantaka, halin kirki 'yan kasanci, zumunci wa'anda su ne ke nuna wa'annan darajojin ta hanyar mutunta sauran mutane ya yafewa juna 'yancin sanin ya kamata da ke nuna son tabbatar da zaman tare nuna kirkin 'yan kasanci na gari ya dogara ne bisa mutunta dokoki darajanta sauran mutane darajanta ƙasa da tsangayoyin al'umma ɗan ƙasa na da istibidin bisa doka na ya tambayi ƙasarsa mutuntawar 'yancinsa saboda ita ma ƙasa na da istibadin na tambayarsa da ya cika wasu haƙoƙin da suka wajaba a kansa. To, <laughs> A Chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous laisser vos messages. et Écoutons quelques-uns. almagi shi ya da mi da kiga bai da cin ba makka da don don kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini na alwatu kulu irgo ma studio kalangu ya kan da na bare ga kan da bon ferayyan mhm. alan da ga kan da kiti da yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ngai goye te dawo imagaban da ga irko makamu da ngise ngai digo a mukoi da jina irman digo ga ka dai hankan ga himan da mun ware dai irko yin matontoni se igo yi mu koy da jina cintine jina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koy kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu ni ne Amadu abdurrahman mazaunin garin Bande ni ma abocin sauraron studio Kalangu ne ta hanyar radio ikra bande musamman shirye-shirye da studio kalangu suke yi akwai bangare deva akwai kuma bangare tayare guda biyar da ake yi musamman gaskiya harkar studio kalangu mu muna sauraron su ta bangare na abubuwan da suke shirye-shirye na gaskiya ne wanda dira ta kawo wanda labari ne wanda na asa da ake badawa muna jin daɗin amala kuma muna jin daɗin sauraron su da kyau kuma akwai ma'abota sauraron studio kalangu bangaren bande akwai abdu dan bariki akwai wani petit frère ina na ce mishi akukuli akwai N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages vocaux au 82 89 89 64. Point final de cette édition de ce mardi 23 mai 2023. Vous étiez en compagnie de Rabi Mekano et Maria Madé. L'édition a été assurée par Hila Toussoumana et la technique par Kader Chambiano. Très, bon, après-midi à tous. bye. bye.